kon daal que nous avons fait. ngeen ñëw. tax tey ñu nga courant mais ndox c'est essentiel parce que bala bala ngay sel mais nga laab laab bi ndox la moy préalable mais eno mort aujourd'hui da ngay dem jëndi ji ay ndox tay pour mëna sang mais pourquoi donc c'est au nom de tout cela que nous sommes en train de marcher et c'est le premier jalon aujourd'hui d'un combat soutenu important un processus sur carrément six mois.